vrai que affaire foncière est compliquée tout. Nous, touti, maires on a des problèmes je dis juridiques par rapport à la gestion foncière dans une commune la gestion foncière moi li est metti commune commune je yore Je pense que ko aussi quoi de toutes les compétences transférées la gestion foncière est le domaine le plus difficile dans une commune en tout cas moi c'est mon appréciation après quelques années de maire pourquoi c'est difficile parce que premièrement sur le plan juridique arsenal la loi 64 qui donne la prérogative aux communes nous affecté les fonciers. donc loolu fi ngay des délibération parfois nga ñëw pour joxe terrain borom tol bi mu ne la non li sama terrain la yow tammi mu nga ko opposer non amoo papier du sa terrain domaine national la donc ñëpp pas ko mom mais commune moko wara war donc comme que say citoyen lañu tu obligé de négocier waxtaan ak ñoom waxtaan ak ñoom ba am accord nga soog a def délibération affecté terrain bi wala affecté pour lotisser terrain bi soo defee loolu projet de lotissement ba pare projet bi circuit bu gudd la day dem au niveau du comité régional comité technique régional gouverneur jiite ko avec tous les services techniques régionaux ñooy toog di xool di xoolaat di xoolaat di xoolaat te loolu ça peut prendre deux mois trois mois un an deux ans parfois suñ ci paree projet bi soog a dem ci kaw au niveau du ministère de l'urbanisme pour un arrêté portant autorisation de lotissement tu vois donc ce qui tax affaire bi di que parfois population yi tammi xaar bobu non ñuy utiliser yenen moyens. donc dem parfois chef de village bi signé parfois sérigne bi signé parfois délégué de quartier bi signé terrain bi jaarul le terrain bi jaar na yon. donc yoyep mu ngi fi problème la Amon nañ commission nationale de réforme foncière defoon na ay conclusion defoon na ay forum partout djebal na président de la république ñu ngi koy déglu ci lolu mais tay so xolé li nga xam ne problème suuf ni mu mel ci Sénégal dafa jéggi dayo te Dakar à Saint-Louis donc partout j'entends aujourd'hui je ne veux pas citer des communes mais partout au Sénégal il y a fay dégg ay problème foncier donc il est temps que foncier bi ñu def nañ ci ay forum sax def nañ ci ay réunion président wax na 90 des alertes qu'ils reçoivent, ça provient du, foncier. mais je vois que par exemple y donné 20 hectares aéroport Dakar jox caisse de dépôt et de consignation pour me gérer que pour me rentabiliser donc j'ai vu qu'ils ont créé aussi tout récemment l'Assemblée nationale a voté avant-hier une loi pour une société de gestion foncière affaire logements sociaux yeeg yeneen donc petit à petit la direction des domaines est là mais la direction des domaines, c'est vrai que ce sont des inspecteurs des impôts et domaines très compétents. Donc, moi c'est un domaine un cabinet qui est mais foncier il faut ñu associer ci ñi base bi mu affaire administration centrale donc il faut que le président de la république je sais que mu ngi ci un rapport commission nationale réforme foncière bi def na ci recommandations comme je dis terrain aéroport jël na ko jox ko caisse de dépôt et de consignation nañ ko ko gérer rentabiliser ko comme Senghor bi mu ñëwee bi mu jël loi 64 bi amna lu donc il faut vraiment ñu une benen stratégie par rapport à la gestion la loi de 64 là faut ñu réviser ko je pense que commission nationale bi defoon na ci ay propositions maire yi a nañ ci ay propositions mais ba on n'a pas de retour d'information il y a eu un conseil présidentiel mais ba tey des recommandation donc mais ce tout ce qui gère le foncier la concertation partout pratiquement nous on était en avant le presse le programme de résidence économique sociale les experts l'ont élaboré en si peu de temps vraiment avec diligence Et on a commencé la mise en œuvre aussi très rapidement quoi donc vraiment, moi j'apprécie positivement toutes les mesures qu'il a prises. Lui, il a fait ce qu'il devait faire en tant que président de la République. Il a eu le soutien aussi de son gouvernement et le soutien de toute l'administration territoriale. Et la population aussi a suivi toutes les mesures qu'il prenait, la population respectait. Khamgafi, par exemple, on a de grands événements religieux. Moi, je connais de grands événements religieux, comme par exemple le de Tchar, de Tal c'est un événement national un événement international mais le président bi nous waxee nañu arrêté nous avons arrêté donc c'est valable pour Kasfu Razab donc c'est valable pour ziar euh, Layeni. donc euh, appel des Layens. donc appel yu donc vraiment nous, ñi top nañ ko au niveau du championnat les acteurs sportifs arrêté ces championnat donc le peuple l'a suivi dans l'intérêt général quoi donc vraiment c'est des mesures sanitaires que nous avons appréciées positivement Nous avons sauvé pays, Sénégal donc la crise la maladie est là mais comme je dis il l'a dit avant-hier dans le discours aussi bon il faut tenir un virus il faut ñu aussi il faut que chacun soit responsable maintenant respecter les barrières mais aller travailler que l'administration reprenne ses horaires de travail normalement que l'économie soit relancée normalement pour que le Sénégal aussi taux de croissance c'est vrai dina baissé où ça aussi c'est partout dans la région de Limois même au niveau de l'Union européenne mais si on s'y met on pourra relancer beaucoup de choses rapidement on pourra rebondir Nous, avons 400 et quelques ménages là-haut, 418 ménages plus exactement yo xamné fait def ciblage comme il fallait donc j'avais mis en place l'arrêté portant donc création membre comité ciblage bi def nañ dans les règles de l'art donc chaque village a fait son ciblage le maire n'a fait que coordonner avec son équipe pour que vraiment les bénéficiaires identifient identifier ku ne nak jot nga au niveau de la commune de Guet nous vivons nañu vivre état yi ba paré amul ben ciow problème le reste c'est partout parce qu'on a dit qu'on a ciblé un million de ménages Sénégal, c'est 18 millions ou 15 millions de Sénégalais. Donc, à l'image de la commune de Guettard aussi, on ne peut pas donner à tout le monde. Mais j'ai fait une enquête aujourd'hui au niveau des villages. Par le mécanisme de la solidarité, presque a pas nañu parce que bénéficiaires qu'on am rek xalaat nga sa mbokk xalaat nga sa njaboot xalaat nga sa dëkkandoo nga sédd ko soo amee saabu wala macaron wala ceeb wala diwlin jël nga ci un lot un kit nga jox sa donc par ce mécanisme fexé nañu ba ñëpp am donc ñun tamit incha allah comme je dis on est en train encore de faire des efforts pour augmenter les certaines poches qui restent donc jàppale waat leen mais aussi pour alléger les souffrances des des des ménages des sénégalais les souffrances de nos concitoyens de la commune de Guettar ñun taxe rurale bi dañ ko wañi ren 50 pour cent xam nañ ne comme je l'ai dit ren monde rural bi demuñu marché jaayewuñu seen gerte jaayewuñu seen comme ni mu ko waxee won seeni sow donc revenu donc on avait décidé de diminuer la taxe municipale de 50 y y a 50 qui ont a nan compenser donc pour les ménages vraiment pour loolu tamit soulager na leen di féliciter encore une fois le président du programme agricole RENBI. bi gis vraiment les semences sont venues à temps l'aliment de bétail est là aussi subventionné avec un sac qui coûte 2000 francs pratiquement 2200 donc euh, toutes, les, semences sont là. Malgré la crise, il a su gérer les vivres de soudure alimentaire, donc les semences, donc l'aliment de bétail en même temps. Ce n'est pas facile pour un pays comme le Sénégal, mais quand même le gouvernement a fait des efforts, ils ont sorti des moyens vraiment pour assister les Sénégalais. Et ça, c'est à saluer, remercier tout le gouvernement, le ministre des Finances, en tout cas tout le monde. Ils ont fait le ministre du Développement communautaire, le ministre de l'agriculture le ministre de l'élevage nous avons le ministre des transports le ministre de l'industrie nous avons jàpp ci vraiment même l'industrie, jox nañ tamit seeni wàll ci bi tous les secteurs ont réussi pratiquement la presse a réussi donc vraiment le le gouvernement a noonu mais comme je dis le gouvernement a mënu pour se substituer aux acteurs du privé de l'aider appuyer pour relancer cette économie ñu démarre l'Organisation mondiale de la santé a alerté. Bon, le secrétaire général des Nations Unies aussi a alerté. Ils avaient peur, ils ont mieux pouvoir en Afrique, ce sera le chaos. Ils ont annoncé même des millions de morts pour l'Afrique. Mais l'on s'en analyser parce que nous, on n'a pas de plateau de santé très, très, très consistant. gérer comme en Italie, ce qu'on a vu en Italie, ce qu'on a vu en France. En France, on a vu des TGV, médicalisés. Ils ont même utilisé, au-delà des, des, ambulances médicalisées ou des bateaux médicalisés ou des avions médicalisés, ils ont utilisé même un TGV qui est parti du Grand Est jusqu'à Paris. Donc, nous avons un moyens. Mm-hmm. Mais l'Afrique a des moyens pour gérer la crise. Il y a le Afrique, on a une jeunesse. Vraiment une jeunesse, et puis avec les facteurs naturels tels que la chaleur, Bon, le virus, on dit que ça ne développe pas dans les <laughs> zones chaudes comme l'Afrique. Yalla sutural nañu ba amuñu vraiment l'hécatombe prédit par l'OMS et par les Nations Unies et par beaucoup d'experts hein. mais c'est aussi là aussi le président de la République est à féliciter il a l'après-crise c'est le plan d'investissement au niveau de la santé donc ils vont construire au moins quatre hôpitaux de grand niveau niveau 3 niveau 4 donc équiper le personnel médical recruter plus de 5000 agents de santé recruter plus de 2000 médecins donc loolu gestion après Covid 19 Donc le donc Temi, Sénégal a une vision donc y a il quatre hôpitaux donc recruter des médecins en masse recruter le personnel médical en masse ils ont encore motivé le personnel médical plus de 3 milliards pour appuyer le personnel médical vraiment on félicite aussi le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr ci qui ci affaire bi mais Afrique c'est vrai war nañu am bonne, en tout cas approche sur le plan sanitaire je sais qu'il y avait des conférences des visioconférences entre les ministères de la santé de l'Afrique mais des quand même tay war nañu a tabax suñu hôpitaux yi aussi demat ay Europe di crise bi maintenant les gens doivent rester chez eux et se soigner chez eux ce sont les Occidentaux qui veulent venir en Afrique pour se réfugier ici donc après Covid bi war nañu ay plateaux médicaux sont consistants à investir dans la santé je sais que le plan d'investissement nous avons au niveau de l'État. peut-être d'ici 2020 2021 va démarrer Et lolu Inch'Allah, avec la loi des finances le président dina ci des donc pour relever comme je dis tout à l'heure sur un plateau médical donc Afrique war na gën ay mbiram mais aussi l'Afrique a eu une victoire on a prédit des hécatombes, mais heureusement que l'Afrique a résisté grâce à sa jeunesse. Donc il faut donc nous préserver cette jeunesse aujourd'hui saine, cette jeunesse vraiment robuste, résistante, nous protéger, par des équipements de santé, par la prévention. Nous D'ici des années, nous quoi.